mbégte am di Jakarlo yéen ci sen chaîne TV rawatina ci sen émission bi di en ligne ñu Dalala benen kangam ci walu politique ak développement di wuyo ci turu Talibouya Ba Talibouya Ba secrétaire général bu agence sénégalaise de la propriété industrielle ak innovation technologique par ailleurs également moom mooy maire bu commune bu Guet Ardo nek ci département bu Louga monsieur le maire ñu ngi lay dalal c'est un plaisir. jërëjëf donc maa ngi nuyu Dakaractu bépp bi fi teew. di am mbégte dalal leen donc fii ci bureau secretaire général bu ASPIT donc di la nuyu Badara Diop di kontaan tamit ci seen liggéey bu baax a baax. absolument bëri na ci sénégalais yi dégg agence bi nga xamante ni moom nga fi liggéey doon secrétaire général alors propriété intellectuelle dañ ko doon dégg mais bi yoon dañuy dégg euh, propriété industrielle ak innovation technologique. alors corrélation bi lan la par rapport ak euh, li nga xamné ne di innovation et développement yi am ci mhm. euh yi wala mhm. dafa am leneen lo xamante ni moom ngeen ni préparer ci si régime bi nga xamné mo moom ngeen nekk waaw jërëjëf donc euh, comme ni nga ko waxee c'est vrai que ñu bëri sénégalais yu bëri dañ koy dégg mais mhm. xamuñu lu mu doon mais nak lu am solo ci développement la rawatina développement industriel ak développement entreprise yi d'une manière générale donc euh, propriété intellectuelle moy lepp lo xam dañ koy créer su ma jëlee exemple par exemple artistes yi su ñu génnee œuvre dañuy dem di protéger BSDA lolu protection littéraire la mhm. donc avec des droits d'auteur ñun nak ñi nga xam ne ñoo féete ci entreprise yi di génné ay xaralé yu bees xaralé yo xamné kenn mënu musu ko créer ñom rek ñoko musa créer ñun dañu nekk fi pour aral len lolu mhm. su ko defee dafa am ben organisme international bu ñu tuggee OAPI organisation africaine pour la propriété intellectuelle Nous avons 17 pays états membres francophones et lusophones donc nous avons top dossier bi ba dossier bi dem protéger le sa et boobu ak sa idée produit dans les 17 pays états membres il fu mu dem yow rek am droit utiliser et exploiter ko So amé brevet ou wala nga am licence donc c'est la propriété intellectuelle donc vraiment pour appeler borom idée nous avons am idée nous avons ñu idées ba ñu économiquement waaye keneen tamit du ko mun utiliser ci ay Malik Forob loo xam du leen jëriñ donc loolu mooy propriété industrielle d'une manière générale. Mhm. donc propriété industrielle nag ci la propriété intellectuelle Nek. donc comme ni ma ko expliqué ni dafa vaste dafa am ay ce qu'on appelle les brevets. dafa am les dessins les modèles donc bëri na daal loo xam ne ay xarala yu bees par exemple WhatsApp yaa ngi nii. Mhm. ay nit ñoo ko créé. portable nit moo ko créé woon mais biir portable tey am na ay jumtukaay yoo xam ne yu bëri la. Mhm. boo ci gis tamit nit moo ko créé wala ay nit ñoo booloo créé ko mais loolu dañ koy protéger au niveau ce ko nappel l'OMPI l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle ba nga xam ne loolu ñoom rek ñoo am droit utiliser ko donc de manière résumée c'est ça la PI la propriété industrielle vraiment mooy fekkee ñi nga xam ne am nañu ay xalaat yu bees. Mhm. You best parce que do créer lo xam créer woon na tamit mhm. da ngay créer voilà d'innovant mhm. exactement loolu nga indi ko ñu seetaat ko ñu sétante ba ñu xam yow li rek ya ko mus créer mhm. ñu vulgariser ko ñu appuyer ko ñu ngi financer ay innovateurs and ak le directeur général Mokhtar Ba ak le ministre de l'industrie monsieur Moustapha Diop ci dans le PSE tamit président de la République tëral na foofu vision bi en matière d'innovation et en matière de propriété intellectuelle je pense que vraiment xaalis bu bëri liñ ci dugal ak euh, Aprosy au niveau de Diamniadio gis nga industrialisation bi loolu lépp c'est pour appuyer le développement industriel du Sénégal. absolument day ñëw ci moment bi nga xamné développement technologique bi comme ni ngeen ko waxé amna légui hmm. léegi smartphone la wax. koo hmm. yore mu ngi ko gis mu ngi smartphone hmm. gis nañ e-learning bi ak li nga xamné moy e-commerce bi lu développé wu tay ñi est-ce que start-up yi nga xamné ni sénégalais yi ñu koy créer souvent ci réseaux sociaux yi. Euh, jël plus prise en compte bi amna ci li nga xamné mom moy mooy effectivement donc ñun ci dafa bokk ci suñu mission. Mm-hmm. appuyer financièrement techniquement d'abord aussi les porteurs de projets. So, une des idées, on a des ingénieurs compétents en la matière analysons analyser projet bi. Mm-hmm. vraiment par rapport aux normes technologiques aux normes numériques pour mettre le projet en bonne et due forme. Mm-hmm. donc c'est mooy appui technique bi mais au delà aussi il y a l'appui financier start up les gars nous déposons dossiers. nous def sélection on choisit les meilleurs projets, on leur finance à coût de millions, en tout cas selon le montant du projet, soit on participe 50%, 30% ou 100% pour nous appuyer le projet. Je vais vous exemple, un four Natangé, les Sénégalais ont créé. Donc c'est un modèle national, voire même international qui est là. Au niveau des équipements du pays, du pays moulin à 1000 couplés, diesel, donc vous voyez des couplés, moulin décortiqueuse, décortiqueuse à mille, nous avons donc nous ñun ñoo encadré gars et créé un modèle pour le développement du Sénégal. Mhm. voilà donc Les Sénégalais sont au fait de l'existence agence bi ak euh, li nga ne activité yi exactement parce que il y' a un rush. Il mhm. y' a beaucoup d'inventeurs et d'innovateurs qui viennent pour déposer leurs dossiers. chaque année chaque jour. je reçois, nous recevons beaucoup de dossiers. Mhm. Mais quand même, c'est vrai qu'on organisait aussi le Grand Prix du chef de l'État en matière d'innovation et d'innovation. C'est vrai que depuis un certain temps, le Grand Prix boobu organisé tout mhm. parce que peut-être faute de moyens. donc de lancer un appel vraiment aux hautes autorités nous jàppale agence bi pour que Grand Prix Bob nous redonne son plan parce que le Grand Prix Bob permet permettre aussi agence bi un grand événement national. Pour mhm. ramener c'est des moments de communication. Nous gina xam agence bi ñu gina xam projet agence des moments de communion avec les inventeurs donc xam nañu bi on a un plan de communication vraiment qu'on a soumis à l'OAPI organiser des caravanes au niveau national pour mieux sensibiliser les Sénégalais pour nous xam vraiment la propriété intellectuelle mm-hmm. Nous quand même le grand peuple la grande masse je peux dire que c'est na tuuti. Euh, aspect communicatif bi nga ni effectivement je sais qu'on a des professionnels en communication ils ont un plan de communication. Mhm. mais généralement c'est les ressources aussi qui manquent. Mhm. mais on a soumis un plan de communication à l'OAPI je sais qu'ils vont le financer cette année nous lançons encore un appel mhm. aux autorités ñu Guinée agence parce que l'agence agence l'employabilité des jeunes tu les jeunes sont très dynamiques wax nga ko léegi ci start-up bi actuellement xaaratuñu état ils ont des projets donc l'auto-emploi te ñun côté bobu lañu ñu nekkee ku indi sa projet muy femme muy jeune ko mëna a doon ñun ñu jappalé la ba sa projet bobu idée nouvelle bobu nga déroulé ko té so créer entreprise rek wàññi nga pauvreté donc créer nga croissance mhm. donc vraiment enjeu bobu je sais que les autorités sont conscientes de ça mais ñu ngi leen di ñaan aussi vraiment ñu gën jappalé agence bi en termes de ressources pour vraiment nous sur mener mission parce que c'est une agence quand même qui a une vocation africaine qui a une vocation internationale partout dans le monde on retrouve ce qu'on appelle les structures nationales liaison nous on est les représentants de l'OAPI on est les représentants de l'OMPI. Mhm. Tout ce qu'ils font au niveau national, ils passent par l'ASPIT pour mhm. porter ça, pour dérouler ça. Mhm. Donc vraiment, vocation diplomatique, Bobigny Amtemi, moi, vraiment, l'autorité de Guinée. war a mun agence bi pour mu gën a dérouler ses projets et ses programmes. alors Talibé Ba euh, élu local a yaay maire maa ngi koy rappelé léegi ci euh, sama tàmbali maire bu commune bu Guet Ardo nekk ci département bu. Euh, Louga alors yow yaa ngi àndaloon ak waa APR ak ce mouvement. Mhm. ci élection yi mujj yi. Mhm. Euh, su ma juumul ci nga gañ waaw li nga xam ne moom commune bi foofu. alors comment se porte la commune ak euh, phase 2 de l'acte 3 de la décentralisation bi nga xamante ni am na ci yenn maire opposants yi sax ñu naan mhm. transfert de problème la de compétence. effectivement donc comme ni nga ko waxee donc avec mouvement bu a le premier tour mhm. donc on a eu à gagner largement déjà en 2014 on était parmi les premiers dans le département de pour devenir maire donc le marque de confiance la caution morale la population mhm. donc on était dépositaire de la confiance des populations sur la base d'un programme d'un plan local de développement à l'époque on avait soumis aux populations mais était suñu évaluer aussi lu bëri réaliser parce que développement c'est un processus Et da a un mandat def li kenen su def mais quand même vraiment à l'heure du bilan on est satisfait des réalisations et je sais que les populations aussi ils vont juger donc d'abord il fallait installer une commune parce que c'était une nouvelle commune créée nouvellement donc il fallait nous installer techniquement créer les organes créer les acteurs de base donc les réseaux et le réseautage mmh. donc sur ce plan là vraiment on a créé tout ce qui est les réseaux des jeunes, les réseaux des femmes, les réseaux des éleveurs, les réseaux des agriculteurs, en tout cas les réseaux communautaires de base, on a mis ça en place. Donc côté développement habitable, tout ce qui est santé, on a mis en place des postes de santé. Donc côté hydraulique, on a atteint les ODD par exemple, 100% addition d'eau, on a même construit des châteaux d'eau. Donc côté éducation, Temi, santé, vraiment, on a créé de nouvelles écoles, on a renforcé les écoles qui existaient. En tout cas, côté financement des femmes, côté financement des jeunes, il y a des métiers de microcrédit aujourd'hui. Sur le plan de la santé encore, il y a des métiers de, santé. En tout cas, généralement, actuellement, la région de Louga organise la RAC, la revue annuelle conjointe des politiques publiques après la RAC nationale. Mhm. Et nous, nous avons un taux de réalisation pratiquement qui dépasse les 100% par rapport aux objectifs initiaux. Donc, l'autre demi santé Donc, vraiment, nous avons fait ce nous avons une équipe municipale soudée mhm. une équipe municipale qui amul kii PDS la bokk wala réew mi la bokk l'intérêt communal c'est rek loolu nous ñu gis dañu fàtte parti politique Nous avons tous voté ko mu donc dama leen di sant di le bureau municipal vraiment ñep ñoo japp ci liguey bi muy les jeunes les femmes ba ñu am résultat ñu am mhm. parce que développement mëno ko def sans l'unité d'abord des cœurs et ça aussi vraiment nous avons créé une commune Compact, une commune homogène, où il n'y a pas pratiquement de tendance politique ou de division ethnique qui nous crée ces problèmes fonciers entre éleveurs et agriculteurs. Mhm. Donc on ne connaît pas vraiment ces conflits-là. Mhm. Donc il y a l'unité qui est là pour amorcer le développement d'une manière générale. Alors, vous le déglo avec mhm. euh, le tableau que vous avez dressé, on pose sur le bilan de votre gestion qu'il faut vous. Vous avez dit que vous avez en fait acte 3 bi quand même. Mhm. y a eu des problèmes au début parce que c'était une réforme. Mhm. Une réforme, tout le temps c'est comme ça. Il y a des problèmes d'appropriation. Mhm. Donc il fallait une communalisation. C'était des communautés rurales qu'on avait transformées en communes. Donc il y avait cette transition que les gens ne comprenaient pas. Donc, y eu des ressources qui ont communauté rurale peut-être commune léegi ay commune yaakaar bi gën naa bëri te commune amu ko mais quand après la communalisation et la départementalisation quoi que l'on puisse dire tey réforme bi baax na trop tout récemment rek on a transféré plus de cinquante milliards aux collectivités territoriales tey commune bépp commune buy wax am nga sel ce qu'on appelle la contribution économique locale boo xam ne les grandes villes comme Dakar rek ñoo ko doon am mhm. mais tey toutes les a tuuti à partir du 1er octobre au moins 12 millions pour la prise en charge du personnel mhm. et des dépenses de fonctionnement mhm. il y a le décret aussi sur l'organigramme type des communes Le LIP c'est effectif donc vraiment avancé y a un fonds de dotation a fonds de concours c'est vrai que certains élus ont dañuy mbubboo réforme bi parce que defuñu dara parce que la réforme si vous comprenez, c'est une réforme vraiment qui donne aux élus plus de pouvoir il faut état rek faire des financements innovants Il nga def des ay emprunt obligataire mun nga def prêt bancaire c'est permis la mhm. réforme permet ça mhm. mais il ne faut pas se lamenter avec acte 3 acte 3 on est élu pour régler les problèmes on n'est pas là pour se lamenter tout le temps du gouvernement bi gouvernement deful mhm. maire comprendre l'acte 3 et la réforme tu n'as pas besoin de l'État. Mhm. Parce que tu peux mettre en place des plans de financement, des voilà, financements des financements innovants, mhm. des banques, mhm. contracter avec les entreprises, donc pour créer vraiment des niches de financement, des sources de financement pour développer ce donc Quelle différence bi léegi ci capacité mairie et municipale réfléchir sur des moyens de financement. Effectivement, effectivement. PSE a un volet. Mhm. Euh, faire ressources humaines. Donc, capital humain, c'est fondamental dans les collectivités territoriales. Aujourd'hui, nous sommes dans des communes, on n'est plus dans des communautés rurales. Ce n'est plus des communes qui ont été mais il faut que nous nous xam adina bi ni muy doxé xam adina bi fi muy tollu waxuma nak nga jang am ay bac wala nga am ay licence wala nga am ay master mais aujourd'hui vraiment ils vont nga am ouverture xam les gens mondio di dem di participer vraiment au sommet mondiaux sur les élus locaux sur le mhm. développement durable sur le climat mhm. nga indi diko transférer au niveau de sa de mais nak so nekké ci àll bi rek ngay kaas tamit loolu jëmelewul commune ci kanam mhm. donc vraiment la réforme est bonne. je sais que la réforme au début il y avait des problèmes de compréhension mais une réforme bi ku ko comprendre do xaar état da ngay dérouler ses plans de financement ils dem di wouti ay financement avec l'extérieur pour construire des postes de santé pour réaliser des écoles, pour faire des addictions d'eau. Donc c'est permis. Même s'il y a des entreprises dans ta commune, il y a une de partenariat avec ces entreprises-là. Mhm. Donc c'est ça l'acte 3 d'une manière générale sur le plan économique. Mhm. C'est vrai que le transfert de ressources, mais comme je dis, c'est commencé. Tay Selby, nous avons casse depuis des années. Donc, il faut bloquer. Tay voté à l'Assemblée nationale, le président a un décret, arrêté, il a circulaire, il collectivités locales depuis le 1er octobre passé c'est plus de 50 milliards celle 2018 celle 2019 celle jox nañ ko communes yi Les communes ont des dépenses de fonctionnement c'est des charges parfois certaines certains communes ils abusent moi je vois une commune qui a 600 travailleurs 600 travailleurs dans une petite commune mhm. voilà amul marché à dara mhm. tu as des problèmes forcément tu auras des problèmes de financement mhm. tu aura des problèmes de ressources travailleurs yoo xam ne sax ñii Sandaga la ñuy xëy ñee marché asalem la ñuy xëy nga naan ay travailleurs de la commune mhm. moo tax réforme bi dafa génne décret type ñu ne commune bu ne lii nga war a am comme organigramme vraiment on n'a pas le droit jël ressources yi di ko utiliser leneen mhm. alors que Sénégal ñëpp ko bokk dañu war a séddale ressources équitablement di fay des gens yoo xam ne parce que c'est vrai que c'est la politique mais il faut qu'il soit aussi sur le terrain qui soit utile pour les populations donc réforme bi santé yalla, vraiment man ay atu ak avantage rek la ci gis. Mhm. au début nag problème compréhension problème appropriation. Mhm. mais tey li ma ci gis santé yalla. au delà de l'acte 3, il y a les programmes de l'État. Le mhm. PIDC mu ngi fii mu des communes Les bourses familiales yi pour réduire la vulnérabilité semi mhm. avec les mutuelles de santé mhm. tout ça c'est pour appuyer les politiques sociales dans les communes mhm. avec Promoville avec Prodac dans les communes au-delà des budgets des communes c'est des programmes de l'État qui sont là qui investissent dans les communes donc vraiment il y a des atouts en tout cas mandat c'est vrai que pratiquement donc prolongation on est à l'écoute du président de la République parce que constitutionnellement mon local ko mhm. mais quand même en tout cas au niveau de la commune de Guettard, avec beaucoup d'autres communes je sais que nous fait un bilan avons un bilan positif. en attendant avec la deuxième phase. Mhm. où les élus maintenant seront vont comprendre davantage la réforme. Mhm. et pour mieux dérouler vraiment. leur politique de développement. Effectivement. Alors, euh, bëri mm. nous dégg problème foncier. ci mm. différentes communes communes autant mm. pour moi alors est-ce que euh, acte 3 de la décentralisation. Mmh. texte mmh. conseil municipal ou le maire mu jël que que exactement c'est la loi 64 sur le domaine national. Mmh. moi fi nekk ba Bataille. bon le président de la République a proposé après constat après diagnostic problème foncier il y avait une commission nationale sur la réforme foncière. vraiment vous fait un travail participatif. on a fait les forums dans les villages au niveau des arrondissements dem ci département des dem ci région yi donc elle yi joxe ci sen xalaat nan la wara gérer foncier bi nañ ko jox loko commune donc muy parce que ñun li ce sont des délibérations mm-hmm. donc c'est des titres pratiquement précaires mm-hmm. après deux ans so mettre en valeur après mise en demeure mm-hmm. maire bi mun des soucis. te suuf si tamit suñ la ko joxee en tant que commune mhm. suuf si munoo ko hypothéquer mënoo ko jaay mhm. keneen mënu ko donn donc tu vois tout a ces toutes mhm. donc réforme bi nag dafa proposé woon que vraiment suuf soosu noonu au moins mu mel ne jaa genre bail wala genre titre foncier suñ ko joxee baykat bi dina ko mun a yóbbu ci banque pour hypothéquer pour am xaalis pour vraiment mun a valoriser suuf si donc commission bi mu defee liggéey bi jébbal na ko président de la république mais amaguñu retour ba par rapport vraiment à ces propositions là mais nous, ngi déglu mais jusqu'à présent c'est le texte de 1964 avons organisé le foncier moi la loi sur le domaine national Nous, avons basé depuis quatre ans avant l'indépendance. c'est vrai que nous les maires on a beaucoup de difficultés par rapport au foncier. Mm-hmm. c'est le problème le plus difficile dans la dans une commune. Mm-hmm. nous mm j'ai un projet de lotissement pratiquement depuis 5 ans je nous ko pourquoi parce qu'il faut l'autorisation qui va me provenir du ministère de l'urbanisme voilà et même un arrêté qui doit partir à la primature ou bien à la présidence pour nous numéroter mhm. alors que si nous défendons le nous nous limitons. ñu limiter ko maire su de délibération ñu def qui ba pareil. ñu jox le préfet le sous-préfet nous approuver les arrêtés portant autorisation de lotissement mhm. mais il faut un dossier il faut le gouverneur convoquer la commission régional les services techniques mhm. ñu joxe seen avis dossier est au niveau national au niveau du ministère de l'urbanisme pour nous, ñooy arrêter, arrêté portant autorisation lotissement loolu c'est des handicaps oui parce que ce sont des di foncier mhm. qui donne ça dans l'illégalité si ñaari nit xuloo wala xeex ci yow maire yaay am problème tant que mm-hmm. amoo arrêté boobu mm-hmm. loolu ngay gis descos ni. tu as vu mm-hmm. ce qui s'est passé à Ngalel tout à l'heure j'ai lu ça sur votre site donc ils sont en train de démolir des maisons parce que c'est des lotissements irréguliers un lotissement irrégulier lotissement il faut une délibération du conseil municipal après un projet de lotissement validé par qui le droit mu soog dem nag topp procédure bi soog a donc il faut vraiment revoir ces lenteurs là permettre au préfet ou sous-préfet d'autoriser, autoriser comme on c'est le préfet et le sous-préfet qui approuvent le budget d'une commune alors que le, projet de lotissement n'est pas plus important que, le budget d'une mmh, commune mmh, mmh. donc vraiment que nous lancer appel qui réforme en matière de lotissement nous avons les préfets et les sous-préfets pas même les gouverneurs voilà comme les préfets qui gèrent les conseils départementaux et les sous-préfets qui gèrent les communes. Mhm. Totalement, quoi donc nous, avons ko war a jox ñuy approuver bon a un problème y conflit agriculteur éleveur. Mhm. un problème délimitation là. font entre communes et communes. je pense qu'il y a un service qui est lié. mais quand même je pense que aussi les pôles là on en parle depuis presque le début de la réforme. Mhm. il est temps d'opérationnaliser les pôles de développement parce que surtout dans notre région la région de Ndiambour la région de Louga et Saint-Louis mhm. et Djurbel. on ne sait pas encore qu'est-ce qui est décidé Il y a une police pratiquement opérationnelle. sint Saloum mhm. Casamance mhm. Oriental mais au niveau de Louga Saint-Louis Djurbel, bataille a un consensus donc nous avons lancé appel vraiment les services techniques le ministère des collectivités territoriales nous firi ñu ñu xamal ñu pôle boobu nan la demee je sais que qu'est-ce que a nekk pôle ñun Ndiambour, on a l'élevage a l'agriculture, agriculture a pêche a le tourisme dans la zone de Potou <laughs> donc on a on a l'immigration aussi donc on a tous les atouts pour être un pôle autonome avec le Jolof ñu boole être un pôle autonome sans ñu boole ñu ak Saint-Louis mhm. wala sans ñu boole ñu ak Effectivement. voilà donc vraiment il faut ñu opérationnaliser pôle pour régler ces problèmes de foncier aussi mhm. donc vraiment agriculteurs éleveurs délimitation entre telle commune et telle commune. Si mhm. on avait l'épaule, mhm. ça va régler ces questions-là. Effectivement. Mhm. Alors, euh, politique, qui département bu bu euh, euh, un département très politique. Il y euh, Louga gis na Moustapha Diop il na fa euh, Aminata Mbengue Ndiaye ak ñeneen alors mouvance comment se porte la mm, coalition foofu Nounou est-ce que clivage yi ñuy ci mm. localités euh, c'est bien présent là-bas wala effectivement c'est un département très politique mhm. très dynamique sur le plan politique parce que Louga a beaucoup bokk politique du Sénégal depuis Abdou Diouf il ngeen comme président de la République du Sénégal mhm. les plus grands Aridia, Ber, c'était c'est une histoire politique qui est là mhm. c'est vrai que l'APR se porte très bien l'APR a toujours gagné les élections depuis 2012 dans le département de Louga, mhm. avec de gros scores. Donc vraiment, côté Bobunon, c'est vrai qu'il y a les tendances qui sont là, il mhm. y a les positionnements des uns et des autres, mais amna le président tech moi le ministre Moustapha Diop, c'est le ministre. Mhm. Té président bi mu ñëwé di jali ji kërëm wax nako. ko. coordinateur coordonnateur bi wax nako ko jité mais da nga war a jaatal wo ñëpp ñu ñëw on a l'association des maires du département qui est avec lui, qui est derrière lui, qui travaille avec lui. Mhm. c'est le ministre, c'est ça aussi la hiérarchie politique. En politique, c'est le ministre qui vient. Ensuite, il y a les députés, etc. Il y a les DG. Mhm. Donc, euh, tendance, il y a Mais dans l'ensemble, ça va. L'APR se porte très bien. Donc, nous avons gagné. Et j'espère qu'aux prochaines élections locales aussi, on envisage de remporter toutes les communes du département. Le mhm. président y a un problème, mais je pense que ce ne sera pas lourd. L'essentiel, que les gens soient unis nek ben, donc éviter division yi tendance yi donc euh, man waxuma l'après Macky Sall mais je dis que APR doit rester au moins 40 ans au pouvoir mhm. jusqu'en l'an 2040. c'est-à-dire 5 ans après les fruits du PSE mhm. l'émergence est en 2035. donc il faut qu'on fasse un mandat au moins après 2035 2035 2040 le reste nag une vision pour voir après PSE quelle est cette vision-là. Mhm. Donc c'est après 2040. Mhm. Et ça, c'est possible. Mhm. Au-delà de Macky Sall, nous, nous sommes avec Macky Sall aujourd'hui. Même après Macky ce sera avec Macky Sall. Mais après la personne de Macky Sall, il faut que l'APR reste au pouvoir, mm -hmm. comme je dis, jusqu'en 2040 au moins. <laughs> Donc, cinq ans après, mm -hmm. 2035, la mhm. vision, les fruits du PSE. Mhm. Après, on verra quelle vision là, qui va substituer à cette vision-là. Je vais répondre à cette question, parce que je me demande avenir au mouvement, mouvement qui est APR. Mhm. Il faut gagner 40 ans. ça, c'est pas demain la veille. C'est pas demain la veille. <laughs> Le président, il a fait deux mandats. Constitutionnellement, il ne peut plus faire un troisième mandat. Il l'a dit, et mhm. la constitution est claire. Mhm. Il ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Mhm. Maintenant, il faut que l'APR, qui est un appareil politique, qui est son bébé, qui est sa vision, qui déroule le PSE actuellement, le PSE, l'horizon 2035 pour l'émergence. Donc, c'est obligatoire qu'on reste au pouvoir jusqu'en l'an 2035. Macky Sall peut-être aussi ça peut passer c'est c'est une vision une vision à très long terme. voilà voilà c'est ça. quelqu'un d'autre venir et achever le travail que vous avez entamé. Oui, mais généralement en Afrique quand même. <laughs> Les gens, tu as tous les opposants, ils ont leur politique, leur programme. Mhm. Certains même ont dit qu'ils vont supprimer les bourses de sécurité familiale. Mhm. J'ai entendu un opposant dire aujourd'hui que on doit payer plus les enseignants que les autres. C'est vrai, c'est des hommes nobles, c'est des métiers très nobles, mais dans un État aussi, il y a des réalités. Donc, il ne faut pas. Donc, c'est des visions. Nous moi c'est une vision. Donc, si nous avons une vision, nous avons xamul lu mu une lañ indi donc mhm. vraiment il faut que la l'APR fasse tout mhm. et je lance un appel à tous les leaders mhm. pas de Louga même au niveau national avons un enjeu la paix reste au moins un mandat après 2035, après les fruits de l'émergence. Après, on verra quelle autre vision qui va substituer. À... Avez une idée de la personne peut-être qui les rênes du parti après Macky Sall Non, en fait, nous, nous sommes derrière Macky Sall nous sommes avec Macky Sall. c'est moi qui choisis. c'est comme wax lu mu wax rek loolu lañu wax ñun après voilà c'est-à-dire qu'on reste avec lui on reste derrière lui on sera avec lui. je sais qu'il ne va pas brader ce pays. Mhm. c'est sa vision c'est son parti. Mhm. donc vraiment ku ko gën xam enjeu yi ku ko gina xam Sénégal tay amul. Mhm. donc lu mu décider rek ñun ci loolu lañu ñuy euh, mais yow tay ji le minimum moy il faut ngeen rester 40 ans. c'est ça c'est le minimum c'est ma position. Et j'y travaille. Mhm. Rester 40 ans au moins au pouvoir. Que paix reste 40 ans au moins modeste au pouvoir. Mhm. Donc après, on aura une autre vision Mhm. peut-être sera plus un monde de l'émergence il y aura un autre monde. est-ce que c'est possible bu ñu gisee atmosphère politique bi. Mhm. Euh, lu mel tey avec euh, euh, Sonko bi nga xam ne tey jii daanaka bokk na ci ñi leen gën sonal. Mhm. gis nañ tey jii Khalifa Sall génn na même bu fekkee sax droit civique am ak citoyen dañ ne ñàkk na ko pour le moment en cas d'amnistie. gis nañ ne Karim Wade peut-être gars yi ñu ngi wax un deal qui se trame boo xam ne war nañu bisi est-ce que face à ces ténors-là, Yakar a quelqu'un qui jii nii. Mm-hmm. mën ngeen résister euh, en fait tout ça c'est des analyses un peu en tout cas je ne dirais pas sérieux quoi mais on regarde, en 2012 ñun de jëloon à l'époque coalition sikil Sénégal il y avait tous ces gens-là. il mm-hmm. y avait ñoom Khalifa Sall. ak mm-hmm. et tout ça et tout ça. pourtant la coalition ak Tanor plus la coalition de Niasla, mhm. à l'époque réunie, mhm. nous on avait plus que voix, Maki 2012. Donc, il n'y a pas photo quoi. Mhm. Même Sonko aussi, il a quoi Il, il député, ah, député plus rester le nez Parce que dernière élection, il n'y avait pas Karim, il n'y avait pas Khalifa Sall il est arrivé 3 troisième. Mhm. donc loolu moo ko may l'autre. mais c'est vrai que def il a, mais y' a pas un avenir pour mais Il parce que l'électorat a augmenté aussi. Mhm. d'un fichier pratiquement de 5 millions. Mhm. ou bien d'un fichier de 3 millions on est parti à un fichier de 5 millions d'électeurs. donc c'est normal mu def ay mais quand même nous, ñëpp xam politiques, politique temps yi tamit dégg nga ko commencé na aussi di wax ñu ngi koy attaqué ñu ngi koy waajal. Mhm. on l'a convoqué à l'Assemblée nationale il n'est pas venu. Mhm. ba pare mooy bu mu présenté wu rek. élection yi di ñëw non il n'a peur un homme politique du ragal. Mhm. donc su ñemee ne dem Assemblée nationale moom moo duggal problème ba pare. ñu convoqué ko ñëwul. vraiment ça c'est de la lâcheté politique quoi excusez. Mhm. alors euh, ce dernier mot peut-être ou mhm. la dernière question. nan dit que c'était décrispation du jeu politique quoi qu'on mhm. puisse dire. Il il y a les retrouvailles entre les deux présidents il y a la libération de Khalifa Sall. tu jii nii mun nañ atmosphère politique bi ñu nekk y a décrispation peut-être boo xam ne une analyse en tant que politique. effectivement vraiment c'est à s'allier. donc ce qui s'est passé donc muy Khalifa Sall muy donc euh, la rencontre ou les retrouvailles avec euh, le président Wad <laughs> donc ça prouve vraiment le président Macky Sall c'est un grand homme d'État Des gis nga mhm. au niveau de Japon Shanhook mhm. dit féliciter donc il y avait 89 pratiquement dossiers plus de 46 pays mhm. donc la pour vraiment étant un homme de paix un homme de dialogue ça c'est la fédération universelle de la paix qui a décidé. donc ça prouve que vraiment c'est un homme visionnaire à l'image de Nelson Mandela nit a la. c'est le garant de l'unité nationale moom loolu la koy gisee. donc n'est pas des questions de partisans génne qui kii da ou ragal wala demain ils vont se retrouver qu'ils soient humbles nous, tamit. ñu que Makidou Macky du seen morom ci politique Nous jouons humilité ñu jouons prudence ñu xam ne APR tamit ay kàngam ñoo fi su bataille bi Joté, dinañu wacc ci terrain bi ñu mëne ko pour l'instant nak c'est le combat du développement c'est pas le combat électoral lolu jotagul mhm. le moment venu APR c'est un appareil très puissant dinañu comme ni ñuy redéployer dans le Sénégal on a toujours la majorité jusqu'en 2040. Mhm. Ils verront ça. Hein. <laughs> C'est C'est la réalité. En tout cas, Talibou Yaba, nous les grimmes de la santé. Voilà, je me rappelle que vous maire de la commune Guet Ardo nek ci département bu fi nga xamné modi Louga gërëm la sant la don la dalal ci numéro spécial bu en ligne bi nga xamné ne fi dalal yenn ci ay kangam politique di wax ci développement politique ak lépp mhm. gërëm la sant la gërëm également internet yi ñuy doon mhm. seetaan ak techniciens yi nga xamanté ni ils m'ont réalisé ils m'ont aidé à réaliser et à vous présenter ce numéro spécial de en ligne bi nga xamné ne mu ngi leen di jox dig dajé ci fan yi ñëw ak benen invité d'ici là l'information continue sur la référence Dakaractu